ma abotan sauraron shirin mu haɗu a fada barkanku da warhaka barkam da sake san ta da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku shirin mu haɗu a fada kenan wanda ni Fanta Shamsu Zani gabatar. Aujourd'hui dans votre émission Tous à la fada nous allons parler des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Donc euh, on va essayer de voir quel est le bilan des actions des jeunes a Niamey mai aussi a l'intérieur. Wato ji gwamnati na yau dai shine kwanakin nan 16 da aka ɗauka domin ayyukan kokowa da ɗabi'ar les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. VBG débute en fait le 25 novembre de chaque année, date qui correspond à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre qui marque aussi la journée des droits de l'homme. A Niger a wannan zaman na biyar kenan kamar yadda muka gani yanar gizo, matasa da dama ne suka gabatar da ayyuka kala-kala imma na wayar da kawunan mutane ne da dai sauransu a taken su tous unis l'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles de nombreuses organisations et associations de jeunes étaient à fond dans cette campagne qui a pris fin il y a tout juste une semaine. Selon le ministère de la Promotion de la Femme, dans un article de l'agence nigérienne de presse ANP publié le 26 octobre 2021, au Niger, la prévalence de la violence basée sur le genre est de 38,2% chez les femmes et 16,3% chez les hommes. Et justement, nous sommes avec eux, les membres des associations des jeunes, pour parler de ces activités et essayer de tirer le bilan. Qu'est-ce qui a marché pour ce séjour d'activisme Quelles sont les activités organisées Pourquoi le choix de ces activités Quel est l'impact l'impact de ces 16 jours d'activisme sur la population nigérienne, quelles sont les principales difficultés rencontrées. C'est parti pour 35 minutes d'échange de musique, de chroniques et de rubriques. Ma sauraron mu yau mun bashe kolin fadar tamu ne a filin nan na shakatawa da ke guntiyena inda muka dauko muku zancen les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre le bilan des activités des jeunes. Je vais commencer par la dame à côté de moi. Bonjour. Me euh, Présentez-vous donc à nos auditeurs. Moi c'est Samira Touboubou Je suis médecin de formation. Je suis membre de plusieurs structures de jeunes et jeune ambassadrice pour la santé et la reproduction au Niger. Je suis la présidente de l'association GEMS, Girls Engaged in Medicine and Other Sciences. Moi c'est Carmando Al Mustafa Idrissa. Je suis du CCNJ, le cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Bonjour. Moi, c'est Dadi Jibrilla, euh, jeune activiste. Et aussi, je suis dans plusieurs euh, ONG et associations aussi d'où je suis aussi euh, le président d'une association euh, qui milite toujours dans, le, dans la protection des droits des enfants et jeunes. Donc, euh, Je me nomme Rakiato Abdoulaye, je suis également médecin de formation. Je suis membre de l'AGFSR. AGFSR, c'est l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Je me nomme Ahmad Boukar Moussa, je suis le secrétaire général de l'Association des enfants et jeunes travailleurs, AJTN. Moi, je m'appelle Hamaïsa Rachida, je suis la vice-présidente du bureau régional de l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Niger. Je suis également membre de plusieurs structures, dont le CCNEJ qui est présent. Euh, je suis membre de Jeune Leader pour le plaidoyer. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, moi, c'est Boubacar Zakouzenabou. Je suis euh, la présidente de l'ONG Jeunesse Plus, présidente de l'ONG La Fada des filles, euh, membre de plusieurs associations également et récemment euh, nommée deuxième rapporteur du conseil du comité provisoire du Conseil national de la jeunesse nigérienne. To barkanku da zuwa a cikin fadar tamu. Um, kafin mu tsindima donc a cikin shigon namu na yau zai yi de mu kawo ma masu sauraron mu karin haske akan musgunawa jinsi. Idan na ce violence basée sur le genre, ake nufi da wannan VBA? Euh, les violences basées sur les genres peuvent être définies comme tout acte nuisible euh, dirigé contre une personne ou un groupe d'individus en raison de son sexe ou en raison de sa position sociale en fait. Mhm. Donc euh, c'est un sentiment de, de supériorité que l'un cherche à exercer sur l'autre dans son environnement aussi également. En dehors de la personne sur laquelle il exerce, mais il exerce aussi un sentiment de supériorité sur son environnement et la volonté de, de perpétrer et ce, ces actes-là. Donc, euh, ni zang daidaitawa in mhm. kwatanta in ba da fassara yadda ta kwatanta da harshen turanci bisa kan wannan eh, violence basée sur les jade da ake ce ma da hausa musgunawa. kamar yana nuhi eh, a yi maka abun da ba da son ranka ba da za a iya cuta maka cikin wannan yana da kuma fanni-fanni eh, da dama na cikin wata musguna da ake ma dan adam eh, yawancin kuma musguna nan da ake yi aka duba mata sun yi zama waɗanda ke samun waɗannan matsaloli mm. saboda mata su ne ke da rauni da duk wata eh, matsala da ke samu cikin wannan eh, matsalar da ake ce ma violence ba su lejar mata sun yi yawan samun watan kamar eh, me ake ta kana iya ba mu kilkoka na violence ba su lejar eh kamar yanzu akwai yansu da ke musguna mata biskan su ba da haɗin kai ba da son ra'ayinsu ba wannan yana ciki akwai kuma yanzu a ce ba ma mata kaɗai ba ma har da maza a ce su yi abun da ba da son ransu ba aka tilasta su su yi shi waɗansu ana nuna musu da eh, misali na gaba gare ka ya nuna maka shi shugaban ne na gaba gare ka ne sai ya sa ka ayyuka wanda bai cancanta kai ka yi su ba ko kuma ayyuka wanda sun kai karhinka mm-hmm. kenan wannan shi ma yana cikin musgunawa da ake ce ma eh, violence ba sur ikwafri eh, mata su kuma su ne waɗanda sun kai samu wata matsaloli wasu eh, cewa ana cewa mata waɗansu suna musguna musu wurin jima'i da su ƙarhi da ƙarhi mhm. to eh, ba wannan fanni kaɗai ba ne adda ma'aikaca wata musgunawa akwai fanni da dama tunda har cikin gidaje ma akwai musguna da ake ma yannunmu saura uwayenmu saboda wataran suna ga kama eh, suna da rauni da ba su iya ramawa ko kuma sauran ba su san da akwai dokoki waɗanda kamata su je su nemi eh, mai ake cewa eh, ceto wajen waɗannan mm-hmm. masu kula da dokokin nan mm. yanzu kan yana shi duk mai shan hausa ya gane mi ya yake nufi don a matsayin ku na kungiyoyin matasa masu kokowa da miyagun ɗabi'o'i wani irin activity ne kuka yi a cikin waɗannan kwanakin shida zan komo gare ki zainab to kaman in an ce violence ba zai sur le genre mutane suna gani directement violence eh, ne da a ce ko a ce wai mata kadai ne saboda shine na ce mu activity inda muka yi kaman eh, lalle ba en general muka yi ba mun doka ne mun tai mun gani ne ne kamar mata da mata da 'yan mata sun fi sun fi kowa kamar eh, abun nan na violence in don saboda shi ne na ce mu abun da muka yi saboda su ne muka yi shi saboda muka gani kuma eh, su ne suna wahala su ne suna sha wahala su ne suna bi eh, suna ga komi suna ga komi don saboda shi ne muka ce to gaskiya dai ba mu yayyama ma kowa me kaman mu doki mata da 'yan mata sai mu yi abun na sensibilisation sensibilisation in mine ne kaman wayan kai budan kai ne da muke ga yin ga mutane su san mine ne violence ma in an ce violence mine ne violence saboda kowa ba su sani ba ma mine ne violence gara ma su su doci abun nan su bar yin shi wa'anda ba su san da ko maganan ma da suke hudda kikin bacin su mhm. violence ne suna iya mata ko mutane mhm. saboda shine muka shi ana iya musguna mutane ta fuskar magana yawa mhm. kenan mun yi sensibilizations don su gane ka ke ba a hudda hannu a buga ko wani abu shi kadai ne violence violence suna da yawa ba sai an kai da jiki ba ba sai an kai da jiki ko yanzu ma maganar da ake yi ana yi violente wani san même le savoir kaman kan mutum ya sani don saboda shine mun yi activité mun tahiya daga biro in mu sai kasuwa mhm. kahin mu tai kasuwa mu ko eh, mutanen da suke bisa hanya mun saya mun yi magana da su bisa kan musgunawa musgunawa da mhm. ake gayin ga eh, mata da mata don mun yi magananu da yawa mutane mun hira tare da su amma inda kamar ba mu ji dadi ba mutanen ba su ma san menene a ma'anar musgunawar nan ba murzuna kun gane ma su dauke ta da muhimmanci balle a samu a dakile ta nagode zainab merci zainab lafada da fi samira kin ji abin da su zainab suka yi a bangaren su ku a naku bangare menene kuka yi ta ce sun yi jerin gwano sun je sun ga al'umma sun yi tafiya sun yi hira tare da mutane sun kwatanta musu sun wayar musu da kawuna ku mi kuka d'abord j'aimerais revenir sur euh, ce que c'est que les violences basées sur le genre d'abord. Parce que elle disait que les gens pensent qu'il n'y en, il n'y a pas de violence. Cela est dû au fait que beaucoup de choses sont normalisées dans notre société. Il faut entendre par violence basée sur le genre les pressions, ne serait-ce que sociales ou psychologiques qu'on peut exercer sur la personne. C'est pas seulement frapper une personne, c'est aussi la torturer psychologiquement. Prenons quelque chose de très simple. Il y a beaucoup de femmes, parce qu'elles ne peuvent pas enfanter, sont traitées de paria, sont mises de côté, on les prend pour des moins que rien. Est-ce que la valeur d'une personne se résume à sa capacité à enfanter. Et c'est parce que c'est des femmes. Prenez, Quand c'est une femme qui, qui ne peut pas enfanter, on dit au mari, va prendre une seconde femme ou divorce. On ne garde pas une femme qui ne peut pas enfanter. Quand c'est le mari qui est stérile, on te dit, il faut patienter. Il faut patienter, c'est ton paradis. Pourquoi on ne dit pas la même chose Et quand la femme, quand l'homme est stérile, décide de divorcer, aller se remarier, elle est traitée de tous les noms. Ça, c'est une violence basée sur le genre. On ne s'en rend pas compte, mais c'est répandu. Quand un homme à un certain âge n'est pas marié, on dit qu'il est indépendant. Quand une femme à un certain âge est célibataire, voilà. Tout cela, ce sont des violences basées sur le genre. Nos actions se résument le plus souvent sur les réseaux sociaux parce que, il faut se le dire, les jeunes, les vieux, même dans les villages les plus reculés, chacun a accès à Internet, même dans les coins les plus reculés. Chacun va sur Facebook, chacun va sur WhatsApp. Les messages véhiculés à travers ces canaux-là passent et dépasse la ville de Niamey. Mhm. Et c'est sur ça que nous nous concentrons. Donc vous, vous avez plus euh, travaillé sur les réseaux sur le, sociaux. les réseaux sociaux, le numérique. Kafin Mouti gaba da gabatar muku da fadar tamu masu bar mu shaye studio Kalangu Fili avec euh, sur la rubrique Rose. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans l'espace rose du studio Kalangu, dans le coin réservé à la santé et au bien-être. Nous parlerons des traces sur le corps qui nous prennent la tête. Bien sûr, je parle des vergetures. Et en beauté, on va lutter contre les signes de l'âge sur le visage qui peuvent parfois apparaître super tôt. Et en cuisine, on parlera de ces poudres et plantes magiques qui parfumeront nos sauces. Bonsoir les amis, bienvenue dans l'espace santé et bien-être de ce samedi. Nous allons parler, comme annoncé aujourd'hui, des vergetures. Alors, on peut définir les vergetures comme des zones de peau au niveau desquelles le derme profond situé entre l'hypoderme s'est déchiré spontanément. Très fréquentes, elles peuvent apparaître au cours euh, des grossesses, lors d'une prise de poids, lors d'une une perte importante et brutale de poids durant l'adolescence sur le ventre les seins, les bras, les fesses et les cuisses. Il existe deux sortes de vergetures. Nous avons les vergetures relevant d'un problème de santé. Là, il s'agit du syndrome de Cushing dû à un excès de corticoïdes dans l'organisme. Nous avons les vergetures classiques. Ces vergetures sont les plus fines et sont plus discrètes et ne, ne s'accompagnent d'aucun problème de santé particulier. Elles sont souvent jugées inesthétiques et provoquent une gêne importante. Et aucun traitement ne pourra les faire disparaître totalement. Donc, euh, les filles, découragement, n'est-ce pas <laughs> Vraiment, découragement. Donc, ces informations que je viens de partager avec vous, fidèles auditeurs, viennent d'un article publié par le magazine en ligne Passeport Santé. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer une crème anti-âge à base d'aloe vera. Pour ce faire, il vous faut deux gros morceaux de feuilles d'aloe vera que vous allez tremper dans l'eau à moitié pendant 15 minutes. Après 15 minutes, donc, vous retirez les morceaux de l'eau et coupez les extrémités épineuses. Découpez-les en petites tranches, en dés par exemple. Broyez les morceaux dans un mixeur ou à la main et filtrer pour ne garder que le gel. Dans une casserole, ajoutez une cuillère à soupe d'amidon de maïs dans le gel et bien remuer jusqu'à obtenir un mélange assez homogène qu'on fera cuire à feu doux tout en mélangeant. Au bout de quelques minutes, vous aurez une pâte crémeuse et gluante. Transférez-la dans un contenant, faites refroidir et c'est prêt. Vous avez votre crème anti-âge à base d'aloe vera que vous pouvez conserver pendant une semaine au frais, bien sûr. Mais bon, vu le coût quand même des crèmes anti-âge. Merci Vanta pour ton astuce. On passe en cuisine à présent. Amis jeunes, ravi de vous retrouver dans cet espace dédié au plaisir de nos palais. Les épices ajoutent l'éclat à nos assiettes, font varier les saveurs et dégagent des odeurs extraordinaires en cuisine. Si vous aimez jouer avec les épices en cuisinant, comme moi, il existe de nombreuses herbes aromatiques pour parfumer vos viandes et leur donner un petit punch qui fait toute la différence. Comment les choisir On ne plus les incontournables que sont le sel et le poivre, idéaux pour assaisonner facilement tous vos plats. Voilà, il existe de nombreuses options pour avoir plus de fun en cuisine et de saveur en bouche. Les herbes fraîches, rien de mieux, mais vraiment. Parmi les épices, on compte des herbes fraîches comme le basilic, la menthe, la coriandre, l'aneth ou encore le romarin. Certaines d'entre elles peuvent être séchées, comme le thym et le laurier. On trouve aussi des épices en poudre ou déshydratées, comme le cumin, le safran, le paprika ou le curry. Globalement, il n'y a pas de règle sur l'utilisation des épices. Tout dépend de vos goûts et de vos envies. Mais certains accords sont particulièrement savoureux. Demain, nous verrons quelques combinaisons avec les épices spéciales qui parfumeront chacune de vos viandes. C'est tout pour la rubrique rose de ce samedi. On se dit à demain pour encore plus de bons plans avec le trio de la rubrique rose. I love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. Yeah, that my puppy. I love you, love you, love you, puppy. Down for a brother like you. to your right in the car, that's you. We could first give you some of this, that's you. And you're all out loving that J Love True. All day, 24 hours. Feeling like I'm on when it's crowded. If you wanna hear your name, I shout it. Boy, you the shit. Masauraran bari mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hada fada akan maudu'in mu na wato Laissez jour d'activisme contre les violences basées sur le genre, quel bilan des activités de jeunes. Inda yau muke tattaunawa a nan filin Guntiyena tare da manya-manyan bakin namu inda suka fito da kungiyoyi daban-daban na matasa na kasar niger To za mu ci gaba da tambayoyinmu. A matsayin ku na kungiyoyin matasa masu kokowa da miyagun ɗabi'o'i, wani irin activity ne kuka Moi c'est Rakiato Abdoulaye, je suis membre de l'association des jeunes filles pour la santé de la reproduction, mhm. AJFSR. Bon, merci euh, pour la question et c'est un réel plaisir pour et c'est un réel plaisir pour nous d'être euh, de, de, partager ce moment avec euh, autant d'associations ici. Ça permet de faire beaucoup d'échanges. En fait, nous à notre niveau, on a eu à faire pas mal d'activités en fait. Mhm à savoir, pour commencer, on a eu à euh, faire euh, la conférence de presse dont on a invité euh, pas mal de, médias, mhm. précisément aussi avec le studio Klangou. On a eu à faire des partages. Pourquoi Parce qu'on a constaté que au niveau des médias, c'est seulement pendant ces 16 jours d'activisme seulement que les journalistes ont tendance à parler de ça. Et juste après, on a tendance à oublier le terme. ils se focalisent plus sur d'autres choses encore. Alors que leur rôle, ce n'est pas seulement de venir couvrir les activités, pas seulement de nous accompagner pendant ces séjours jours d'activisme. Ils, doivent aussi contribuer. C'est aussi euh, un combat qu'ils doivent aussi mener à leur niveau et à leur niveau autant pour moi. Donc c'est ce qu'on a essayé de, soulever lors de cette conférence de presse et je pense que ça a vraiment euh, donné ses fruits parce qu'on a eu aussi des témoignages de pas mal de médias qui nous, nous ont dit que eux ils avaient déjà des programmes consacrés sur les violences basées sur le genre. Et après ça, on a aussi eu à faire euh, la conférence panel au, CCOG. L'accès était donné à tout le monde en fait, tout le public. Pourquoi Parce qu'on voulait partager, avoir un cadre d'échange avec tout le monde. Parce que comme ici, euh, les amis ont eu à le dire, il y a certaines personnes qui ne savent même pas c'est quoi la notion de violence basée sur le genre. Mhm. Donc lors de cette conférence panel, on a vraiment eu à faire des échanges fructifs parce qu'on a invité des, des, panélistes vraiment qui s'y connaissent bien sur ces questions. On a aussi eu à faire des, campagnes sur les réseaux sociaux aussi. Mhm. On a vraiment fait pas mal d'activités à notre niveau en collaboration avec la coalition des femmes et des filles, COFEF. À l'occasion du séjour d'activisme, a, dans un premier temps, on a fait un renforcement de, un capacité avec euh, les, membres, les autres membres de notre association, JTE en collaboration avec SONGE. Donc, on a fait, après le renforcement de capacité, ce sont les campagnes de sensibilisation dans les dans les cinq communes euh, de la région de Niamey. Donc, on est jusque-là en train de continuer la sensibilisation sur le terrain avec les jeunes, que ce soit les jeunes qui sont scolarisés ou les gens qui sont non scolarisés. Nous sommes en train de faire ces actions-là dans chaque commune, dans chaque quartier euh, de la région de Niamey. Ma sauraron kuna shi da yadda matasa suka yi gwagwarmaya a tsawon wa'annan kwanaki goma sha shida suke ci gaba kuma da yin gwagwarmayar tasu to abin da na lura da shi shine kamar yawancin ku duka niyame ne kuka tsaya ko assalamu alaikum je me nomme Ahmad Boukar Moussa. Mhm. Euh, je suis le secrétaire général de l'association des enfants et jeunes travailleurs à HDN. Mhm. Donc, euh, dans le même cadre, je vais continuer sur ce que Rachida vient de dire. Euh, on, a fait, on a fait des activités dans des FADA, des sensibilisations, accompagnées par des, des sketchs de sensibilisation sur, sur la violence de la femme et de l'enfant. Donc, euh, tout récemment, le 12, 10 et 11 passés, donc, euh, on a partagé nos équipes. On a fait trois équipes. Il y a une équipe qui est partie à Beleyara, il y a une équipe qui est partie à Gauthier et une équipe à Tilaberi. Mhm. Donc, euh, on a fait 48 heures d'activité. Donc, moi, personnellement, je suis parti à Beleyara. Donc, j'ai rencontré beaucoup de fadas. J'ai pu rencontrer 15 FADA, FADA en deux jours. Donc, euh, on a fait des échanges sur ces thématiques, les séjours d'activistes, quelles sont les violences euh, et quelles sont les solutions à entreprendre et identification tout autre. Et on peut dans toutes les localités du Niger, on a des représentants. Mhm. Donc, euh, par exemple, ici, on a l'association de Niamey, Maradi, on a des associations et comme ça, Agadez. Et chacun à son niveau a fait des activités. on fait des mhm. activités. Et puis, tous ceux qui ont fait des activités, ils, vont, ils ont partagé euh, leur activité dans les groupes, les rapports. Et présentement, on a tous les rapports. À notre niveau, au CCNJ, dans le cadre de ces jours d'activisme, euh, nous avons initié euh, ce que nous appelons notre espace eh, en germain eh, Irbatama. Mhm. Euh, c'est un espace qui regroupe euh, les jeunes filles ou je dirais les femmes et eh, parce que la plupart des, personnes violentées sont les jeunes filles ou les femmes. C'est pourquoi nous avons décidé de, de, faire de cette activité spécialement pour les jeunes filles et pour les femmes. Et c'est le début certes, les gens font toujours des activités à l'endroit de, comment on appelle, dans le cadre de cette campagne. Nous nous sommes dit que nous allons commencer cette initiative et nous allons la continuer, même après les séjours jours euh, d'activisme. Et nous avons invité, surtout, surtout les jeunes filles, nous allons passer l'information d'abord, ou bien inviter les gens. Et quand les gens vont venir, c'est comme j'ai dit, c'est un espace et ça va nous permettre de parler tous. C'est pas une seule personne qui va venir, voilà, voilà, comme dans les séminaires, je vous explique, je vous dis. Non, non, ça va être euh, des partages d'expériences ou bien des informations. Par exemple, des jeunes filles de 14 à 16 ans qui n'ont. Euh, d'autres sont violentées, mais elles ne savent pas si c'est des violences euh, qu'il faut dénoncer. Par exemple, une jeune fille, même si elle est violentée verbalement, elle, elle ne peut pas se dire qu'elle est violentée. Donc c'est des choses comme ça, nous, avons profité à travers euh, cet espace pour échanger avec les jeunes filles. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nous avons des, directions au niveau de toutes les régions et nous allons continuer. Et très bientôt, les régions aussi vont commencer euh, à faire ces activités-là. da harshen turanci ake ce ma udej union pour la défense et la protection des droits des enfants et des jeunes kungiya ce mai kula mai gwagwarmaya bisa kan haƙi na yara da kuma matasa eh, akwai wata rana da aka keɓe da aka ce ma jiv journée internationale pour les volontaires rana ce wadda eh, aka keɓe ma mutane masu gwagwarmaya cikin fanni-fanni da dama biskan ayyuka Eh, na taimakon eh, rayuwar dan adam ko kuma na taimakon fanni na yanayi da komi da komi dai ranar nan eh, mambobinmu sun samu sun tahi na hamdullahi don su kai nasu taimako bisa kan gwagwarmaya da ake yi da suke yi kuma cikin gari har da ƙauyuka mhm. kuma rana ce da ta yi akasi da kwanakin goma sha shida da an ka keɓe na gwagwarmaya bisa kan wanga eh, musguna da ake ma matasa ko in ce kowa da kowa tun da yau musgunawa ta cancanti eh, ta nuna da ba ma yaro ba habba ba ma ana iya musguna mishi ba mace ma har namiji ma ana musguna mata mm-hmm. bayan shi kuma mu mun taimaka bisa kan yanar gizo tunda eh, muka lisafa muka gani yau matasa da yawancinsu duka kowa yana da wanga talho na zamani da kowa na iya ya taɓo ɗan uwan shi ko kuma ya samu labari bisa kan yanar gizo ta nan mu ma muka kai namu ƙoƙari in wa'ansu suka eh, ba da bayani bisa kan wanga abun bai kamata ba a yi saboda yana musguna ma ɗan adam mu ma sai mu ɗauka mu yaɗa shi mu raba don eh, mutane su ma su samu to yaya kuka samu karɓuwa wajen mutanen gari kamar kun ce kun shi alhamdulillah kun san eh, me ake cewa eh, kun san yau a cikin gari babban gari yana da bambanci da ƙauyuka tunda a cikin babban gari akwai ayyuka da dama na yada labari a ɗauka fannin radio fannin talabijin fannin salula wannan tunda ana aiki da yanar gizo mai ƙarfi in kuka duba can cikin ƙauyukan nan saura ba kowa ba ne ke da talabijin saura ba kowa ba ne ke da wannan eh, talho na zamani da aka ce ma android da za su iya su hau biska yanar gizo su ga sauran labari saura ba kowa ba ne ke da radio wannan tunda akwai radio ka wanda an kai da ake ce ma radio communautaire amma ba kowa ba ne ke da wannan radio radiyon zai saurari labari to nan ne aka samu matsaloli da dama tunda nan sai an ta saman eh, mai ake cewa hilin dagan don mutane su samu su ji bisa kan menene ake wayar da mutane mm. lalle mutane da dama sun yi gwagwarmaya kamar da na ji na nan ga yan uwana musu ma sun haɗi sun ce sun ta yi bisa kan wannan hilin sun wayar da kanun mutane kuma har saura ma sun ce ba su ma san mi ake nihi da wannan eh, musguna da ake ma mutane ba mm-hmm. kun nan muna iya cewa sai mun ƙara kuma sa ƙarfi don mu samu waɗannan da ke cikin daji ko kuma in ce waɗannan da ke da ke da nisa da gari da za su iya samun labari ko rahoto da ya kamata su ma su cancanta da su eh, su ma mu duba tsakanin mu da za mu ƙara ƙarhi da ƙarhe mu gama ƙarhi da ƙarhe mu samu su ma su samu waɗannan bayani da ya cancanta su samu Kamar yadda kuka sani masu sauraron mu fadar tamu ana yi ana shakatawa yau zamu bari kadar Tumbiano Technician fadar tamu ya zaɓi music inda yake so. just in inhuman form. Body man, nobody like walk, but you must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. sauraron bari mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hada fada akan maudu'in mu na wato Les jour jours d'activisme contre les violences basées sur le genre quel bilan des activités de jeunes inda yau muke tattaunawa a nan filin guntiyena tare da manya-manyan bakin namu inda suka fito da kungiyoyi daban-daban na matasa na kasar Niger to za mu ci gaba da tambayoyin mu En cinq années, donc ça fait cinq ans que ces activités se font sur 16 jours. Quels sont les résultats que vous avez eus Ou bien racontez-nous, je sais pas, une success story, quelque chose que vous avez fait qui a impacté positivement et qui a retenu votre attention, particulièrement quoi. l'année passée, bara de muka activité de yai Toucham tushen mu c'était euh, un homme, euh, un garçon, euh, je pense bien que l'année passée, le thème c'est tolérance zéro, si je me rappelle bien donc mon activité à quand dans l'école euh, à l'INGS Donc moi magana de élèves, avec les élèves il y avait un garçon qui nous a dit ben moi je je sais même pas si ça existe au Niger et tout donc on a vraiment échangé avec l'enfant euh, on avait pas mal de thématiques parce que nous euh, on part avec des messages sur le terrain et tout donc il a choisi un message euh, mutilation génitale féminine, etc., etc. Donc il a dit que pour lui, ça n'existe même pas au Niger. Et il sait même pas ce que ça veut dire en fait. Donc on lui a expliqué ce que ça veut dire. Parce qu'il a des petites sœurs, il, il, voit les filles du quartier, des petites et tout. tout. Donc il dit, le combat qu'il va faire, c'est de sensibiliser, de partager ce qu'il a appris ici avec les autres, sa famille, euh, son entourage, etc., etc. Pour nous, en fait, euh, y y a il a pris conscience que lui-même il a sa part de responsabilité il a un rôle très important à jouer afin de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles afin de mettre fin aux pratiques traditionnelles néfastes afin de mettre fin aux violences basées sur le genre donc il a pris conscience il a dit que lui à partir d'aujourd'hui il va partager l'expérience, il va continuer la sensibilisation qu'on lui a faite aujourd'hui là. Il va continuer à le faire avec ou sans notre présence. Message bien reçu, comme Très bien reçu. <laughs> Donc avant de clôturer, on va laisser la place à Olivier pour sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, dans la chronique de ce soir, nous allons nous pencher sur un fait historique. Oui, la chronique traite des actualités liées au buzz, ce qui fait de nous les passeurs d'une histoire contemporaine faite de haut et de bas. Venons-en au fait, le 10 décembre 2022 restera gravé dans les mémoires de tous les fans du foot, car c'est exactement à cette date qu'un pays africain accède en demi-finale d'une Coupe du Monde. Cet exploit a été réalisé par le Maroc avec son coach Walid Regragui. Cette victoire nous donne quelques leçons de vie que j'aimerais ce soir partager avec vous dans la chronique. Première leçon, face à une équipe déterminée, point d'adversaire indomptable. Oui, les Lions de l'Atlas ont fait tomber des équipes formidablement supérieurs sur le papier. De grandes nations de foot comme l'Espagne, la Belgique, le Portugal ont été renvoyées à la maison par le Maroc. Outre leur talent, les joueurs marocains ont beaucoup misé sur leur mental, comme quoi le foot n'est pas seulement un jeu de muscles, c'est aussi un état d'esprit. Deuxième leçon, la jeunesse africaine a des ambitions folles et ne recule pas devant les enjeux. Avant le début de la Coupe du Monde, certains spécialistes du foot insinuaient que la jeunesse et la carrière du coach marocain pourraient jouer en défaveur de l'équipe. Mais ces arguments ont été balayés par les résultats convaincants d'une équipe marocaine portée par des joueurs jeunes et un coach aussi jeune. Comme quoi, à cœur vaillant, rien d'impossible. Troisième et dernière leçon, vos résultats font oublier vos erreurs. Lors de la qualification en demi-finale, un des joueurs marocains a laissé entendre que cette victoire est une victoire pour le Maroc et les peuples du monde arabe. Comme quoi, l'Afrique, c'est un détail. Eh bien, cette déclaration a fait réagir des panafricains. Il a suffi de quelques heures pour faire oublier cet écart de communication. Résultat, presque toute l'Afrique derrière le Maroc pour la demi-finale contre la France. Et si la fin de ce parcours reste celle contre la France, l'histoire retiendra que le Maroc a été le premier pays africain et arabe à jouer la demi-finale d'une compétition de Coupe du Monde et c'était un 10 décembre 2022 au Qatar. Surtout que nous étions les témoins de ce moment fabuleux. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est la fin de la chronique de ce soir. Rendez-vous demain et nous allons parler de Miss Niger. D'ici là, portez-vous bien, paix, lumière, amour sur vous. One big Love. Merci Oli. Et oui les amis, tout ça la fada c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi notre thème du jour. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Quel bilan des activités des jeunes mene an fi fartu o Manyan bakin namu na fada su ne eh, matasa wanda suka fito da kungiyoyi daban-daban wanda ke gwagwarmaya domin dakile ɗabi'ar musgunawa jinsi. Merci à tous de l'avoir suivi sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rai idan inda sai kuma gobe da Allah ya kai mu ran da zamu dawo muku da wannan jigon a harshen zabarmanci tare da abokin aiki na Habibu Garba akan inji mai ɗaukar muryoyin mu ku ji su ras shine Abdulkadir Chambiano loyi magician de la fada masauraran mu assalamu alaikum